Euh, la plupart de ces vidéos, j'ai envie de dire les 90% de ces vidéos, nous nous développons. concept yi ñoy def tout peut-être gars yi xam nga des fois euh, gars yi suñu la xasee ba jox ben, ba xolé la ben, bët rek toujours lo def day attirer sen attention ci côté bobu noonu xam nga mais ça n'a rien à voir ça nous est arrivé ben ñi def ben truc par hasard ci plateau tournage bi li na ben commentaire sur YouTube bi ben gars yi naan ay nangam sangam du mo def li alors que kooku deful dara en fait c'est juste loo xamante ni naturellement on noonu lañ ko defee mais nit ñi des fois mu ne leen très di xalaat yenn affaires toujours dañuy bëgg di xalaati ci côté bu négatif ou la ñuy chercher ci côté bu positif mais si la quatre comme je dis tout à l'heure quatre-vingt-dix pour cent de ces vidéos ñu ñoo def concept bi et tout moom amul dara lu mu ci euh, lu mu ci def wala dara. Mm-hmm. mais am na image yoo xam vraiment parfois des choqués. est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu aussi bon bonne image bouche c'est par rapport à quelle image exemple. par rapport à clip que vous nga tout le temps dañ parfois automatiquement on ko que rek vous donc est-ce que vous a une que image ne sensibilité euh, on pense pas parce que yakarna fi dangereux lo dangereux par exemple par rapport à ñu au Sénégal parce que tey lépp lu ñuy def je pense que euh, mi en fait mi ngi ci yoon yaakaaruma ni ñun def nañ loo xamante ni war na mën a sensibilité qui que ce soit parce que lépp lu ñuy def c'est artistique en fait c'est quelque chose loo xamante artistique la parce que nit booy seetaan boo xoolee bëtu artistique loolu ngay gis boo xoolee bëtu leneen loolu ngay gis parce que nit ki tamit euh, d'après tout tu peux pas mënoo leen wax ni lii boo leen seetaanee lii forcément li ngeen di gis ku nekk ak li ngay gis booy seetaan mais ñun ñi euh, ngi rendre compte de et tout à chaque fois que nous une vidéo nous ko mm-hmm. euh, bon nombre de jours dépend de la dépendre ci euh, tournage me fait. parce que le tournage de fait de des fois ça peut prendre plus de temps parce que déjà peut-être tournage de du euh, la plupart de nos vidéos c'est entre 1 à 3 jours on avons def un tournage la vidéo mais post production le montage et trucs, ça me prendre en général euh, beaucoup de temps des fois mën nañ def montage ça dépend mën nañ def montage 24 heures ça dépend ça peut prendre 2 jours mais qu'il y ay effet visuel ça peut nous prendre même jusqu'à une semaine du montage ok merci <laughs>